Thank you. kasankolo alialo nentele nyokalule fowante alafansu ballagei kasasel ntelle nyokanu ntelle diya toromondo Dundi kaduga Santa Blizzanata Nyokano, mzele no sidi Santa Kasakolo, mzele nyokano, Santa Santa Santa Malende muy taalati invité volontaire pour l'émergence économique de Ziguinchor Et Alassane Sarr jiite Djiteko. concert gratuit la population Ziguinchor pour marquer la venue de son excellence le président Macky Sall à Ziguinchor Alassane Sarr woo na ñëpp na ñëpp bokk ndey ak baay jàppante ñu votel massivement président Macky Sall pour mu mën a toppatoo Casamance yëngale liggéey bu mu fi sumb donc ci daf ko jël ci fond propre jël ko ci am amam may ko waa Ziguinchor Alassane Sarr kenn dootu ko présenté Ziguinchor nit koo xam ne xolam daf ko jox mu jeex mu jox ko dokk Ziguinchor jël alalam ne du ko samp feneen Ziguinchor la ko fay indi boo demee yoonu Sandiaba ba di weti GFM nga xam ne moo ko indil jagleel ko waa Ziguinchor waaye yemul ci loolu bu ñuy wax ni dañuy dox ci jàmm suñu xel demoon na ci juma Ñafleen bi nga xam ne dañu ko teg ñeent fukki at Alassane Sarr dem jëli son excellence moom naa koy mën a tuddee mooy sëriñ bi Tiwaawoon xalif général sëñ Mansour si indi ko Ziguinchor ñetti fan jàppale ñu ndax ñu ubbi jumaa jooju Alassane Sarr moo ko def Alassane moo indi médecin yi gratuitement pour ñu ñëw faj waa Ziguinchor Alassane Sarr moo ko fi def Alassane Sarr moo yërëm jigéenu Ziguinchor yi indi économiquement démographique et social mbiru Ziguinchor ma bëgg ngeen tàccu leen Alassane Sarr bu baax a baax a baax a baax mu jóg ne dafa bëgg waa Ziguinchor ñu bokk ndey ak baay ñu jàppante jàppale Ziguinchor ku nekk loo am nga indi ko Ziguinchor loo jéegaale nga indi ko Ziguinchor na Ziguinchor naat Alassane Sarr loolu la invité ñëpp ñoo xam ne cadre Casamance lañu ñu def ni moom egg si Ziguinchor jàppale waa Ziguinchor na Ziguinchor naat tey mu ñëw dëkk ne waa Ziguinchor dañu xaw a féewaloo politiciens yi du ñu waxante le même langage Alassane Sarr ne loolu métti na xolam mu solu daf écharpe bu weex tal nee na ku nekk ñëw bind signe de la paix ci kaw écharpe bu bobu leen ma mandagal écharpe Alassane sabbi papa suñu ministre d'État Robert Sagnon lu mu ngi ñoo manifestation monsieur le ministre merci beaucoup pour votre présence parmi nous délégation officielle lañ cadre xëy na peut-être visite président bi moo tax ba ñenn ñi teeloo teewaguñu ñëw waaye Alassane ñëpp la oo képp kuy ministre Casamance Alassane woon na la képp kuy directeur général ak Casamance Alassane woon na la ñëpp la oo pour ñëw fekkee bés bi defalu ko boppam Casamance la ko defaral askan bi la ko defaral waaye Macky Sall la ko defaral pour au soir du 24 février ñu votel ko massivement à Ziguinchor en Casamance pour mu am troisième mandat ngeen tàcc loolu bu baax a baax ñuy nuyu présence su El Hadj Samba Gakou xaritu Alassane Sarr benn bakkan la mu ngi fii ak Bassirou Fati ñëpp ñoo nañu fekkee manifestation bi waaye du ñu fàtte Ibrahima Badji nga xam ne tey affaire élection bi yëpp ci ndotam lañ ko teg Ibrahima merci pour votre présence ñooñu ñëpp ñu ngi fi ñoo fekkee bés bu rëy bii xam naa ci kanam ñuy ñëw jël kaddu fii nañu wax lépp waaye ñu permettre Jaliba mu installé accordé mu door ñaari morceau ñu door a def allocution yi de reconnaître soirée ba fu mu leen neexee jërëjëf jëpp Thank you. shani nyimara senekambea adoni josano mone bentoriao oh. kirindi senegali kada gambia wani jine fulolu kada madiyo adina dem bakiri yala l'intégration raisonnable yikumayada wala dingo nganyumuda kanoni mbadi yada

ಬೆನ್ನು ಕೊಯ್ಯಾಗ Magi ya una suasi wow. Jody. zila ay dura sabale dinna ay din kuma kawale dinna adala gonye doga da sanu doga kondo ya doga ar murugi kama adala gonye doga kondo ya doga ah rabbi monere ada nggak murah kan ada pada kapan ada ada konyol doge wow Manzapul nangkala punya bezaude Mariam malam bagai zanyong Roman Ministro kada hukumandi Minister Suara Zambu vijana zarota nyanjalo tamburti zale ibrahima kubano mani alaji manina dimane ne mani induna dangana ma bona kamara vijali bale baba Go, go, go, go, sino banna jambe ɗi ali pare waaw organisateur yi ñu ne dafa am luñ bëgg a wax ah, ci lu gàtt ñu may leen micro bi waaw oh ɗum sirbe ngana ani sankare muske bari ya men ko labo aman fentu ya senen lewej wala ngeng banyu akh dëgg na foo bi neex na waaye ñu woote am na message bu ñu bëgg a véhiculer foog ngeen déglu ñu wax ak yéen du yàgg ñu wax ak yéen lu tax ñu indi Jaliba Kuyateh ñuy oo madame Aris naka vice présidente Bekosi wax na leen lu mu doon mu ñëw sànni ñaari kaddu madame la vice présidente s'il Assalamu alaikum, Ziguinchor asalaamaaleykum mbooloo mi fi fi auditoire di nuyu ci sama ci sama di nuyu di nuyu ci sama président Alassane volontaire pour l'émergence économique de Ziguinchor suñu slogan mooy ñun dañu xam suñu bopp gëm suñu bopp fas yéene teewal suñu gox kon nag Ziguinchor suñu association bi suñu parti suñu mouvement daf fi nekk pour développement Ziguinchor li waral nag tey ñu def meeting conservé à ak c'est que Macky Sall ñu excellence Macky Sall moo ñu ko jaral ma ciy sore si ma beral c'est suñu papa Robert Sagna mi fi Des di papu région bi di nuyoo autorité politique yi fi nekk ñëpp góor ak jigéen di nuyu ñëpp ñu fi ñëw bàyyi seen soxla ci guddi ji ñëw di ñu déglu ñëw ànd ak ñun ñëw pour màggal président Macky Sall di gërëm bu baax Veecozi dafa li mooy Ziguinchor développé li ko ñor mooy jigéen Ziguinchor yi jëm kanam li ko ñor mooy jeune Ziguinchor yi jëm kanam région bi gën a développé parce que fàttewu leen ne am na lu ñu jox gannaaw 35 ans de conflit kon nag jaadu na léegi que Veecozi fas yéene dugal loxoom pour koom-koom région bi. daldi jëm kanam Veecozi nag mu ngi juddu ci benn association bu mag des cadres casamançais ñi nga xam ne ñu nga Dakar di doomi région yi juddu fii Ziguinchor màggee fi Ziguinchor am fi seen kilifa yi Ziguinchor mais yàlla baaxee leen ñu nekk bitim réew di am koom-koom ñi ne nag duñu toog Dakar fàtte fi ñu jóge parce que ñoom dañu gëm te fas yéene teewee seen gox ñu ne nañu dellu gannaaw li ñu yàlla wërsëgal ñu fas yéene ko tasaare wasaare ko seetoo ko suñu mbokk yi loolu moo tax Veecozi yi juddu ci biir cadre Casamance yooyu Veecozi nag mu nekk mouvement mu nga xam ne am na lu bëri lu mu fi def sama président dina dellu si pour wax leen yan jéego lañ fi jot a def mais tey li may jël parole mooy yi parce que président Macky Sall bu jaralee Veecozi mu def mobilisation bi ni mel indi Jaliba mi nga xam ne yëkkati ko yombul c'est que Macky Sall ko liggéey moo mérité Macky Sall dara ñun ko Casamance lu nekk def na ko rien que déjà pont bi ñu inauguré ci waxtoom tax war na tax ba Ziguinchor à 100 parce que léegi ku jógee ki suba man nga agné Dakar ci katanu yalla bu jogé Dakar ci suba man nga añee Ziguinchor sans compter désenclavement yu nga xamné RN6 corniche bi man nga jaar ci yoon bi nu la nexé avion yaangi ngi daw am nañu deux rotations par jour bato yaa ngi daw té encore mu fexé ba wañi tarif bi kon nag Macky Sall Ziguinchor amel nako djukal bu mu ñu gën a gore may ñaan ñëpp ñu bokk ndey bokk baay parce ñun ñoo bokk benn cible bi ñoo bokk benn objectif bi mooy développement de la Casamance la Casamance naturelle kon nag nañu lëkkaloo joxante la ko bokk ndey bokk baay fas yéene bokk yéene ñu jàppoo liggéey ba Euh, Macky Sall am fit nam bum ñu gën a gore lu mu ñu def nañ ko delloo njukkal ba mu mat sëkk kon nag Pecos yi mu ngi noonu ñun dañu gëm suñu bopp xam suñu bopp fas yéene teewal suñu gox ñu bëgg nag si Ziguinchor yëpp jël slogan boobu xam sa bopp gëm sa bopp fas yéene teewal sa gox

génnati ci alhamdulilah rabil alamin te yàlla may ñu ndam Macky ñu élire ko au premier tour premier tour la ñu premier tour avec un bon score kon nag jaajeen yëpp ngeen bu baax présidente Veecozi léegi dañuy oo suñu frère nga xam ne moom mooy coordinateur benn mbokk yaakaar fii ci élection yi muy honorable haut conseiller des collectivités territoriales ñu koy monsieur Ibrahima Badji ngén tatchul mako bu baax a baax ba mom a lañ fi teg pour mu jité élection yi ngén tatch ko bu baax bu fekkee ñëpp sopp nañu Macky Sall tatchu len kooku parce que Macky Sall lay liggéeyal monsieur Badji s'il vous plaît. asalaamaaleykum. wa rahmatulah wa barakatuh. Je voudrais au nom du comité électoral de la commune de Ziguinchor, remercier monsieur Alassane Sarr pour son initiative originale qui vient accompagner le programme de campagne électorale du comité électoral de Ziguinchor pour la réélection du candidat Macky dès le premier tour. Je voudrais également féliciter notre Djaliba Kouyaté. Djaliba Kouyaté, nous qui appartenons à d'autres formations politiques, nous considérons que c'est un révolutionnaire africain. Et l'Afrique a besoin des hommes comme lui, qui font preuve d'originalité, qui s'appuient sur la culture africaine. Nous devons prier pour que celui-là reste encore longtemps parmi nous. Je voudrais également, au nom du comité électoral, remercier un homme qui guide nos pas, un sage qui est le président Robert Sagna. Si Aziganchor Beno continue à fonctionner et à rester uni, c'est grâce à cet homme. Il aurait pu rester chez lui, et nous regarder faire. Mais il s'est dit que il a en face de lui le président Macky Sall qui aime la Casemance et qui a prouvé qu'il aime la Casemance par son programme de développement. Et donc de ce point de vue, il nous a dit que lui, il restera actif comme un jeune homme pour accompagner le président Macky Cet homme, vous devez beaucoup l'applaudir. Décosi est un mouvement qui est membre de Beno Bokuyaka. Comme d'autres mouvements, nous pensons qu'il faut ce Bekoji s'implique davantage dans Beno pour plus d'énergie, mais plus de, euh, de résultats. Et nous sommes sûrs que donc on, nous arriverons à ces résultats. Lorsque un mouvement souhaite la réélection de Macky Sall et prenne des initiatives, mais alors que fera un parti politique comme la paix comme l'UCS qui est venu nous, rejoindre, pour lequel l'UCS, je félicite Ablaï Baldé d'avoir renoncé à ses propres ambitions pour uniquement faire réélire notre président Macky Sall. Nous sommes sûrs que donc, le 24 février, Chor, comme d'habitude, dira vive Macky Sall Vive le Sénégal, vive la Casamance. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable au Conseil des collectivités territoriales. Ngeen tàcc ko bu s'il vous plaît. Mom, moi yore élection bi yëpp diwaan bi yëpp élection bi ci ndodam la nekk moo yore nag gafa gi itam kon tàccu leen ko baax ndax mu mën gafa ci nit Fati ñaari casquette la am dina waye Bassirou fati ku ko xam nga xam ne Bassirou Faty doomu ndey Macky Sall la moom Macky Sall lu ñu partager adna rek xam kon micro bonsoir aliwuraara Jaliba Iourara. Je voudrais dans un premier temps dire quelques mots en français. Ensuite, très rapidement, lancer un message en Wolof et terminer dans celle, la langue que je maîtrise parfaitement, c'est-à-dire le mandingue. Je voudrais tout d'abord saluer mon grand frère ministre d'État Robert Sagnan, saluer la présence de toutes les autorités politiques, saluer la présence de nos sœurs, de nos frères qui sont ici présents pour rendre un hommage tout à fait particulier au président Macky Sall de par la volonté d'un homme. Il s'agit de Hassan L'initiative Assansar que tu as prise pour rendre hommage au président Macky Sall au cours de sa tournée dans notre ville de Ziguinchor est une initiative à saluer avec la plus grande admiration et générosité. Il m'est arrivé au cours d'une émission radio-télévisuelle de dire à l'ensemble des Sénégalais qu'il y a des hommes et des femmes dans notre région et particulièrement dans cette ville de Ziguinchor qui nous a fait naître. Ziguinchor dont les armoiries disent Ziguinchor invictus felis. Ziguinchor, l'invaincu et l'heureuse. Ziguinchor, ville cosmopolite. Ziguinchor, ville de culture et de brassage multiethnique. Vous avez à et votre équipe pris des initiatives à travers votre association volontaire pour l'émergence économique de la Casamance. C'est de prendre votre courage à deux mains, de dire ici et maintenant, en tout temps et en tout lieu, d'investir dans votre ville natale pour que cette ville de qui était meurtrie, vous le savez, je ne rappellerai pas l'histoire, vous avez pris pendant qu'il était difficile d'investir dans cette ville, parce que tout investissement demande un retour d'investissement. Vous avez risqué de venir investir votre bien sans calcul, seulement par amour pour votre ville, vous êtes venus investir et le résultat est aujourd'hui là. Si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous amenez Djaliba Kouyaté dans cette ville, humblement, je suis heureux pour vous et vous félicite parce que Ziguinchor est avant tout et d'abord une ville de culture. Qui connaît Ziguinchor c'est que nous avons inventé les Navetan. Qui connaît Ziguinchor pense à la fraternelle, à la à l'amitié, à Tallinn, Tallinn, à toute cette masse de filles et de garçons qui, dans notre ville, ont toujours fait apporter la paix. Aujourd'hui, il ne m'appartient pas de faire un bilan de Macky Sall. Macky Sall, la vice-présidente de Vekosi l'a dit je élire ko au premier tour parce que je ko mérité daf ñu visité daf ñu défaral Ziguinchor té luma neex dans ce Ziguinchor vaste et propre où il y a eu la main de tous les dirigeants municipaux il y a un quartier qui brille de ses mille feux Je suis ma parce que dama suis di wax wa ñafulen capitale Ziguinchor damay waa Santhiaba na ngeen baal ma baabu kon ngeen nangu ne dans Ziguinchor Ñefuleen mooy capitale bi waaw <laughs> voilà n lofta terminer la mbe Assane Sarr le jaay la ndomaalo ningo fo fabanta ni mun naataja mun ketan terimati Samba Gakou comme Assane il fait partie de ceux qui ont investi dans la jeunesse de ceux-là qui qu'il pleuve ou qu'il vente, se sont mobilisés, quelles que soient les difficultés, pour que notre ville vive et brille. Je voudrais saluer aussi l'initiative des femmes. Aucun investissement n'est possible s'il n'y a pas la paix. Et ceux et celles qui se sont évertués, je pense à Madame euh, Cham euh, euh, et son équipe, on ne peut pas développer. On ne peut pas investir si on n'a pas ce sentiment de sécurité pour que les actions puissent aboutir. C'est pourquoi je voudrais terminer en disant merci à la Sansar, merci à son équipe et merci à toute cette assistance ici. Jean de Sanjaba de Boukot, ne vous fâchez pas, Niafoulen va vous accueillir à partir de demain pour que tout le monde déménage et que tout le monde vienne appeler à Niafoulen. la place. Merci tout le monde alama aljo alama la alama yo alama merci beaucoup à bientôt Voilà, nous allons inviter celui-là qui, par la grâce de Dieu, nous avons offert ce grand concert. Nous allons ensemble recevoir celui qui, par vents et marées, a choisi d'investir dans sa ville natale pour que Ziguinchor brille de mille feux. Nous allons, mesdames et messieurs, donner la parole à celui-là qui, sur les sentiers poussiéreux de Sankola, n'a pas hésité tout bonnement à se revertir dans le fromager géant. celui-là qui, à travers les mangroves et les pistes rouges, a marché pas à pas, comme disent les Anglais, step by step pour aller dans les hauts sommets. Nous allons, mesdames et messieurs, donner la parole à un homme qui, par la générosité et par le geste, à montrer aux Iguinchorois ce que doit être un cœur pur, ce que doit être le cheminement des gens qui marchent dans l'obscurité profonde, celui-là dans le cœur meurtri, dans la Casamance qui souffre, stoïque dans la douleur profonde, mais aussi à juger nécessaire de donner à ses frères et ses sœurs un exemple, un exemple de solidarité, mais aussi de don de soi, un don entier sans rien demander en retour. Mesdames et messieurs, je vous demander de recevoir cet homme qui, dans la stoïcité, mais aussi celui-là qui a tout laissé tomber pour venir ici à Ziguinchor, dire aux Ziguinchorois que tout est possible si on le veut. Celui que les Kunda a chanté, celui que ses pères ont respecté, celui que Seigne Mansour a consacré, celui-là que Ziguinchor fait aujourd'hui. Acceptez d'accepter Alassane Alassane, approchez bien de le peuple. Viens le dire ce qui c'est ça. Voilà Alassane, l'homme à l'échelle, l'homme Sigue gente cool. Standing ovation for us. Mesdames, Messieurs, honorables invités, chers membres et sympathisants de VECOSI, je vous salue tous et je vous souhaite la bienvenue à ce meeting-concert animé par celui qui chante et qui vante la Sénégambie. Je veux parler du talentueux, de l'intarissable, de l'inoxydable, de l'inégalable Djaliba Kouyaté. Volontaire pour l'émergence économique de Ziguinchor, la région de Ziguinchor, s'entend Nous avons décidé d'organiser ce meeting-concert pour que désormais à Ziguinchor et en Casamance, nul n'en ignore nous sommes de Beno Boko Yakar. Macky est notre candidat. Et nous allons mobiliser, nous allons appeler à voter, nous allons voter pour qu'il ait une victoire écrasante au soir du 24 février 2019. Les raisons de notre choix sont multiples duñ fi jogé waye dina ci wax touti rek hôpital de la paix ñaata président de la république ñoo fi jàll tiji wuñu ko kan moko tiji scanner yi ñu doon wax ci hôpital régional kan moko def centre d'hémodialyse dialyse bi nek hôpital régional kan moko def PPDC à PUDC quel oui, oui oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, ouais arom parce que je disais le summum de nos réjouissances pour nous fils de Casamance c'est l'érection du pont de Gambie du pont sur le fleuve de la Gambie qui demeure un puissant symbole qui doit rester gravé à jamais dans la mémoire des Casavancés. La lucidité, le courage, la volonté farouche qui ont animé le président Macky Sall et l'ont amené à défaire Yaya Diamé pour avec son frère et ami Adama Barrow réaliser ce rêve qui a habité tous les Casavancés pendant des décennies et Casamance. nous devons reconnaissance au président Macky Sall Macky Sall bu ñu gën a gore nañ ko sant yàlla nee na ku nit votons Macky Sall pour des lendemains heureux pour la Casamance Gagne, kaddu gu Macky Sall la ñuy pour ñu premier tour tiens.

ndaxte Robert Sagna mok sama wajur bu góor la woon sama papa la bon bu demee tey ba di ma gunge si dafa mel ni sama baay moo toog suma wet lenn lañ ko deseel mooy di ko ñaanal gudd fan ak yaram yàlla ko yàlla bàyyi fi mu yàgg ñoo teetee ma suma suma suma di sama mag sama xarit di sunu vice présidente président sax laa ko war a wax parce que moom mooy jiite lépp di madame Aris Fatou Badji tàccu leen ma ko bu loolu wéyee ñi mu àndal ñoom ñuule madame Thiam euh, honorable député euh, Ami Tamba ak ak ak ñëpp ñi ñu àndal maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam ba beneen incha allah benn allocution moo ci des jali baay ñëw yeggale affaire parce que kilifa bu fi nekk foog ñu jox kaddu mu vous a Je wu papa Mamou ministre d'État maire honoraire de la cité de Ziguinchor Robert Sagna. Mes chers compatriotes, je vous salue. Je vous salue, chapeau Avant tout, permettez-moi de rendre un hommage à ce grand homme, Yoliva Puyati. Quand je suis aux affaires en tant que maire de Ziguinchor, je vous ai souvent accueilli dans cette ville. Vous voilà revenu dans le cadre de la campagne électorale pour l'élection du président Macky J'étais heureux de vous voir à l'inauguration du pont de Gambie. Vous avez honoré nos deux chefs d'État, Macky Sall et le président gambien. Vous savez, vous êtes un artiste, mais vous êtes surtout un témoin de l'histoire. Parce qu'il est rare de voir des intellectuels comme lui, parce que Joliba est un intellectuel. Un historien Et Dieu a gratifié d'une voix d'airain, d'une voix d'or. Ces voix rares sont des voix que nous voulons magnifier. Et aujourd'hui, que vous êtes venus à Ziguinchor pour la énième voix dans le cadre de cette campagne, je ne voudrais pas commencer mon allocution sans vous dire merci. Et sans vous rendre hommage, parce que vous serez non seulement le témoin de ce grand événement, mais vous êtes aujourd'hui déjà une mémoire que nous savons toujours garder, parce que cette voix que vous avez, dont Dieu vous a gratifié, cette voix sera toujours inoubliable. Merci d'être venu chanter chantez la victoire, anticiper, chantez l'histoire, mais aussi chanter Ziguinchor, chanter l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est aussi votre amour, c'est votre vocation. Et je voudrais encore une fois vous dire un très grand merci. Je suis ravi de vous voir ici. Je voudrais remercier notre frère Alassane Sarr et l'ensemble du VECOSI pour avoir gratifié Ziguinchor de cette belle soirée avec un artiste, comme j'ai dit, de talent. L'initiative, c'est la réconciliation, la fraternité de Ziguinchor. Et je voudrais dire qu'il n'y a pas un meilleur hommage à lui rendre que celui-là. Faire de telle sorte que Ziguinchor soit un que ces enfants s'entendent, que les enfants, la main dans la main, soient volontaires comme de Vécosi pour construire notre ville, notre cité, notre région, notre pays. Si je suis encore debout ici, je le suis pour la Casamance. Je le suis pour notre ville, Ziguinchor, à qui j'ai consacré 25 ans de mon activité en tant que maire. J'ai aussi consacré 22 ans de ma vie comme ministre, mais pendant que j'y étais ministre, je vous l'avoue, je préférais être maire. Parce qu'avec la mairie, j'étais avec vous tous les jours. Tous les jours, je vous côtoyais. Tous les jours, j'apprenais à vous connaître. Tous les jours, j'apprenais à vous aimer. Et je vous aime. Je vous aime parce que vous avez cette générosité, cette reconnaissance que nous avons acceptée avec Alassane et son équipe de magnifier ce soir. Magnifier à travers une campagne électorale que nous voulons exemplaire, que nous voulons la main dans la main, encore une fois, le summum d'une reconnaissance à un homme qui nous a prouvé qu'il aimait notre région, qu'il aimait notre ville. C'est la raison pour laquelle je suis avec lui. Et je suis persuadé que c'est aussi la raison pour laquelle vous êtes avec lui. Parce que Macky Sall a prouvé dès qu'il a été élu en 2012 qu'il aimait la Casamance. Il a prouvé que les Mexicains Comment il a prouvé Je ne vais pas faire la litanie, citer toutes les réalisations de Macky Je voudrais en retenir deux. Nous nous sommes toujours plaints de l'enclavement de la Casamance. Aujourd'hui, quatre vols permettent de desservir à partir de Dakar, Zigenshaw. Vous avez deux vols le matin, vous avez deux vols le soir. Je ne parle pas du désenclavement maritime avec nos trois bateaux. La réduction des prix du bateau Lodiola, pour ne citer que cela. L'autre exemple, celui qui pour nous est certainement la réalisation la plus importante, c'est le pont sur le fleuve Gamba. Nous l'avons inauguré solennellement avec Yoliba mes chers compatriotes, je crois que nous n'avons jamais reçu un cadeau aussi important que ce pont. Mais je voudrais lancer un appel à tous pour que nous sachions en profiter. Ce pont doit être un véritable pont entre la misère et la richesse. Ce pont doit vous permettre, hommes, femmes, jeunes, de vous lever Comment l'homme pour comprendre que le développement passe par le désenclavement Il ne faut pas nous croiser les bras pour que, à travers ce pont, d'autres viennent nous montrer l'exemple. Nous devons nous réveiller parce que si nous dormons, il n'y aura personne pour nous réveiller. Réveillez-vous, mes chers compatriotes, pour qu'à travers ce pont, nous puissions relancer le développement économique et social de cette région, une région qui a tant de potentiel. Aujourd'hui, nous avons été libérés grâce à ce pont, grâce aux deux chefs d'État, celui de Gambie et celui du Sénégal. Celui du Sénégal ne nous réclame qu'une chose, la reconnaissance, pour que le 24 février, nous puissions lui dire merci nous délocons, comme l'a dit madame tout à l'heure parce qu'il mérite cela madame Harris merci de l'avoir rappelé avec autant de solennité je ne voudrais pas allonger parce que vous avez envie de vous épanouir vous avez envie d'éclater parce que vous êtes sûr parce que je suis sûr que le 24 février vous rendrez hommage à cet homme vous rendrez hommage à Maki qui est dans nos murs et qui est venu encore une fois nous conforter dans notre conviction qu'il est le meilleur. C'est la raison pour laquelle nous le soutenons. Et nous vous demandons de le faire le 24 février. Encore une fois, merci à vous tous. Merci à vous toutes d'être venus si nombreux, si nombreuses pour fêter, fêter Makissa. Je voudrais remercier mon frère et ami Ibrahima qui a pris la parole tout à l'heure, président du comité électoral. Moi, je suis le coordonnateur de Benovo Kakar de la région de Ziguinchor. Il est le coordonnateur du comité électoral de la commune. Nous travaillons la main dans la main pour que, encore une fois, le 24 février, nous puissions dire vive Matissa. Je remercie mon frère et ami Bassirou Fati qui a pris la parole avec autant de passion. C'est un ami de Matissal. Tout à l'heure, ils se sont salués avec beaucoup de générosité et de souvenirs. Je voudrais enfin saluer ma sœur, vous la verrez tout à l'heure, Ramagata ici présente. Je n'oublie pas l'autre sœur Amitamba et son mari ici présent. Ils sont venus avec vous également. Prouvez la solidarité, l'amitié, la fraternité vont ensemble. Continuons, Ziguinchorois, d'être généreux, d'être ouverts. Il faut nous entraider, nous soutenir, nous soutenir. Il faut nous aimer les uns les autres. Cela est très important. Vous voyez, je commence à être long. Alors je vais m'arrêter. Parce que je vois que vous avez envie de vous trémousser, de vous agiter, de montrer votre joie, encore une fois, grâce au talent de cet homme. Et vous, femmes, encore une fois, la plupart d'entre vous, vous êtes dans cette grande plateforme pour la paix. Vous savez le rôle que je joue à côté de Macky Sall pour la paix en Casamance. Lui-même vous le dira mieux que moi demain. Mais vous, femmes, membres de cette plateforme, je voudrais vous dire merci pour votre engagement. Avec à la tête votre présidente ici, ici présente, Madame, nous l'appelons familièrement Youlé Neymarikam. Marikam. Je voulais lui dire également un très grand merci pour cet engagement pour la paix. Mes chers compatriotes, nous avons souffert pendant 37 ans. Dieu est en train de nous donner la paix ne nous décourageons pas. Elle n'est pas loin. La preuve, vous commencez à vaquer librement à vos occupations. Continuez de prier, surtout vous les femmes. On a dit en français ce que femme veut, Dieu le veut. Et que Dieu veuille que la paix revienne parce que vous, femmes, vous le voulez. Merci encore une fois de m'avoir permis de parler. Vous m'avez écouté attentivement. Je suis encore très fier d'être avec vous et que Dieu nous garde encore longtemps pour le développement économique de cette région et de notre ville que nous aimons tant. Merci encore. Voilà, merci encore une pour le doyen Robert Sagnan. Maintenant, nous allons Invitez les deux dames de Djaliba. Mesdames Djaliba Pouyaté, approchez, mesdames. Les deux dames, venez encadrer votre mari. Djaliba, mets-toi là. les deux dames. Les deux dames, encadrez votre mari. Allah, Voilà, Djaliba, est décoré. Va Vekosi, nous décoré, Djaliba. moo tax ma ne sa jabar yi ñëw ñu taxaw parce que boo gisee tey nga am doole jongoma yii la ma bëgg sa jabar yi fekkee fu ñu lay décorer Jaliba Fonte doon nga ñëw loolu ne woto vekosin kolle ko député honorable député Rama Diatta le be o dile la député ko i signin décoration dirani tata ya kela saloto ya itandi ko Jaliba ay zekos vekosin muta ya kateroti ibe Macky Sall ko fen ko mawlid Alassane ko à partir d'aujourd'hui ay teriya sekibala abe kuwo kukela jalibale benakela ibe kuwo kuto isafa fana ba blome wala nyin diplôme sabu madame ramadiata yadila wala nan ko mobe bien tek diplôme bi bo bekosi jox jaliba kuyate vraiment voilà sous le regard complice du doyen Robert Sagnan infatigable merci doyen merci beaucoup merci beaucoup set vraiment nous saluons la présence de tout le monde tous ceux qui nous ont fait l'amitié d'être présents parmi nous merci beaucoup merci pour avoir pris de votre temps pour venir assister à cette soirée une soirée de réconciliation des Iguéchoria entre eux-mêmes une soirée de mise à niveau pour que chacun de nous puisse comprendre que l'essentiel c'est de marcher ensemble. L'essentiel c'est de tout partager. L'essentiel c'est de ne pas nous diviser mais de nous unir davantage. Parce que Ziguinchor en vaut la peine. C'est pour Ziguinchor que notre cœur bat. Alors pour cela, ensemble faisons la fête et que demain le soleil qui se dessinera un nouveau jour pour que Ziguinchor fleurisse de mille feux. Kouyate Ilakora Mouta, Sikyon media mediyamula bi ñaajiyo siboñe alsan ay hakkilo jamfande baake bi aye landim faŋola bayrin te ta jannal be ñaala birin jali baaka si a kurkuruta saatowoto janna na kuwo bee le kijaŋ na kuwo bee le ki alsaniye wala sembo dunna bi eh, ñin décoration hana man kewoti bira iko jaliba kana jang alasani be amo min fa jaliba la ko horomo kama ko te artiste ndinti ni wonata jango ñanda amul le doŋola amanke en kilim fandi O buñal damma damma e ko men kenna anayi dapanso men ke ko mañanna laala ndaare dulaata ñanta laala dulaa jamfariŋol ngol santo ay dépense o men ke wono fo ala alsan abarka inin mbara jigen sor allah kano waratan kan ala baraka aliyen semben tuya aliyen semben tuya ani jang atolle kafutan ma eh, birin ablaye mutala jaloti walat nan ko nga Abdoulaye Baldé kara atun le ya gagne ndi jang o be kantere so sembo ala barak ala barak ala barak ñingilo men kana eh mba kirke la mba den alfa bala ya moy discours kenno men ki jang eh men ki do men sañanti o kola mbadila abitan kendo la monsieur le ministre Zamper Sengo, au Fanang Ninkumu, mais Zamper le bolo biri Moussa Kouyate, ye Nignola, Mbate le ɲɔgɔn la Aya Bounia Sambanka, a ani Alpha Almen bɛɛ bi jan n se o Mboda dame, ɲin kɛta ɲala bayiri n ko ye ko wuluta jan mais almalon gondega buñasoto bantale dina jante ɗol sin soso bari bi alhamdulillah kitanna alpha balu ñana alaji konte ana fansun sene l'école mu gammi mbe wolle bulu anin salifu jayti alkaw muyinna ɓiri mbe kora commence itol be nata bi momen nata ke fandi makila o siyata sako sago kabo gambe ñin nyabo warata birin nin makki dunta ñowbulu a nyabo warata itol be naata kan sembentu yandi ka di makila ke fandi makila ka gambe ñombo ñombo koten kadi makila woto ŋetendu iɓe sirin pojomoɗo jang e alaji konte anin salbu jayte ñeni mbara alasan eh, fɛn tɛ n si la min bɛ n si la min bɛ n kɔnɔ fa la wala min ɲin ti sama ne maki bɛ ɔjanso sɔt la n ka taa n ka f'a ye ko mɔle bɛ n bolo mɛ mo asan sar tɛ se ka n sɔrɔ ka di la ko kanu le y'a ti na a n'a la mɔle ɲin bɛ n ni n m'o kɛ n kɔnɔ tɛ fa la walayi a ye maa koyi a ye alisan muta ɲɛ aman la fin naye ñoƴay buñale men ke warta baake ana rañi men lakam bi nin kuma banku fulo ɓeni cika ya dinna merci inin mbara ngal eh, ten dungal jeyi si ɗum julo ñin kono kalni mbara eh, foñal ಮಂದಿನ ನವೈ ದಂಪಿಲಿಗೆ Plan Senegal Emersons Yakama Yindi Autoroute Ila Touba Yakama Ligay Arène nationale bi Yakama Ligay national makin yako matale yoni es kasamas ya wow wow wow wa wa wa wa wa wa ke prava Umar Sasubi wa munge yesri wa wa wa wa Wenda da maki maki Mandar maki maki yaula suasi Gor maram bai maki jambar Jati, Bhagwati. Adiyanan, Adiyanan, Adiyanan, Bhamani. Wadi mamuna demyev makisalo. Debolama, bineka you bare bare amadi.

Yamana, the Yamana, the Yamana, the Yamana, the Yamana, the Yamana, the Yamana, the the Yamana, the Yamana, the Yamana, the Yamana, the Yamana, the Yamana, the Yamana, the Yamana, the Yamana, the Yamana, the Yamana, the Yamana, the yo ga ga ga ga da banno la vola passé sa lo fele ya dero la wow Passa mais foto do salo ya dero la When you balance lo fana fele mona gamande fadukewa sajokewa ano najima jalludima aduma ane kudo kudo jama jama jama no la gola adama adama adama ni magisalae mansonu siden express national yaa ko fi indi waaw waaw ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaw Macky yéen a ko liggéey yéen fonk ñii billaay loolu laa ko wax farafeñe ma ne makk yi man dama la fonk maa la bëgg yow yaa ngi seet li gën ci sa réew nga ko doxal rek li yaa ngi ne teg di liggéey rek billaay noonu la mel yal na fi yàgga jërëjëf waay e na alfal men bijang sal fu jeyte alaji konte mbe buñala julnalala al salon ko fanan gambi ha moye muda momon muda mbe ñulle ɓulu ndela kuɓe ɓe ñulle ɓulu mi aja koku toɓe nda jale bala karo na na jang ko to fanan ka sementu ya tuya gasoilolu essence lu ani moto tolle a abedina a ah, fon si tenduŋe jayi ni moy ku kendo ke a Eh, ñeetten to ñeeni mbara ila e namaɓe o fananna ala baraka bara ali ali julo men noon ɓe wola kosila sali fo hekkatude ay julu ɗo soto e eh, ŋalogal mandale ɓa kewla bara aliye men moyi ali sali fo to moyi men na gowa buñawla ani alaji konte keni mbara ila e maɓe kuñima barkine ba ma do zara ataleba dosi daga fonanti

at it. nte be ndeela nte be ndeela tolle bala billahi men koye kana soso I go with it go, with it, daddy? ati alamaji ati deka ti bɛ mi jɔre jɛnibɛ mi jɔre ti ti ka sɔɔrɔ. Bassirou Mbaye a goto Sénégal le sa e goto jalibaabu Sénégal njeɗoɗo di ala barka sa e mbita jumaɗe ah. kan ar ka beso men goy wolem koli sumbu ndu koli sumbu ndu koli sumbu ndu

gwargudun eh, ayata so jaliba ya take a fama loto samba samba

Musunano, we care.